Euh, reprendre antenne comme vous l'avez remarqué l'Église alors juste après cela Bignou Guéné, dit à euh, on a vu quand même que euh, devant les locaux de saint yves une voiture blanche, Ben L200, Tahao, on nous signale que euh, section de recherche de la gendarmerie de Koloban la donc de euh, interpellé qui dit Amadou Ba Amadou Ba n'est suñu invité ci vous l'avez remarqué donc ñu ñëw donc on l'a interpellé juste devant il a demandé à joindre ses avocats euh, jéem na leen jot à joindre également sa famille mais après euh, dañ ko djel euh, yobou ko donc lolo tax ñu reprendre justement l'antenne pour essayer de comprendre Serigne Saliou ce qui s'est passé essayer aussi de dénoncer li jot xew parce que tok ci plateau quand même tenir ay kàddu on ne sait pas encore lan moo tax ñu ñu ñu ñu jël ko mais dañu njort rek ne que peut-être amna yenn kàddu yu mu yu mu jot def ci émission bi xeyna lolo tax mais xamuñu exactement ce qui se passe parce que laaj nañ agent yi mais ñom nee nañ dañoo recevoir juste ordre pour ñu euh, mhm. c'est vrai donc ils sont dans leur rôle. ils ont une hiérarchie. donc euh, ils sont en train d'exécuter les ordres. bon pour l'instant mënuñu wax la raison pour laquelle Amadou Ba quand même a été interpellé devant les locaux de la sainte TV. Mhm. parce que amaguñ ci fi d'autant plus que sommes aussi bien, nous ñëw waxuñu ñu ne lii mhm. mais que surtout je ne pense pas que ça soit vraiment. Euh, que ça soit au niveau de l'émission hum. ça peut être peut-être autre chose pour xamante ne nii leneen la ñu actuellement mi ngi TV ñu ñëw jël si mais je ne puisse pas quand même penser que c'est des propos yi mu wax ci émission bi qui puisse lui valoir cette interpellation. -là. Parce que rien de grave n'a été tenu quand même. En tout cas, euh, tout au long de l'émission. Euh, vraiment, on a fait un débat très correct, un débat très serein, un débat très intellectuel. aussi vraiment, il a fait preuve vraiment d'une pétillance vraiment intellectuelle remarquable. Donc, Gisouma réellement en quoi Amadou en tout cas Boudé, pour émission de parce que pour l'instant ça peut être aussi vraiment mm-hmm. une chose autre chose ailleurs mm-hmm. mais Boudé, dans le cadre de l'émission que nous venons de en tout cas de, tenir man personnellement comme aussi ça a été le sentiment des autres même ni fi réellement des propos quand même mm-hmm. qui peuvent lui valoir une euh, en tout cas une interpellation euh, au niveau même euh, en tout cas près des locaux de la de, la mais moi j'aurais vraiment compris que Amadou Ba mhm. vraiment c'est quelqu'un de très correct c'est quelqu'un de très responsable. mais ni quoi de fait bon peut-être que la loi leur permet de faire ça mais en tout cas nous, nous mettons là. parce que nous, nga. Mhm. vraiment un débat très policier, hein, vraiment très policier, un débat très intellectuel un débat de bonne facture nga parmi un des éléments un des invités Nous nous interpellons devant les locaux vraiment de la télévision. Mhm. Nous avons ci am sentiment vraiment de culpabilité. effectivement am loo ah, la koy tout à l'heure ne je me ah, extrêmement mal. parce que invité nit mu génn ñu ñu c'est quelque chose quand même qui pèse lourd. il va rejoindre rapidement sa famille espérons que simplement que nous ko jël interroger sur réellement les motifs de cette interpellation là que ça ne soit pas quelque chose quand même qui puisse lui valoir, euh, en, euh, en, tout cas, autre chose que qu'une libération. une mm. ligne ñuy soxla daal que bu mais bu ñu ko dégloo aussi ñu bàyyi ci ni mu gën parce que il doit rejoindre sa famille il a autre chose à faire aussi et je crois que Amadou euh, comme je le dis hein, vraiment koo xam. kenn xamu ko sax ci ay propos déplacés. Amadouba, Ba koo xam xam ne. débat bu mu mën def aussi toujours daf koy teg vraiment ci benn argumentaire intellectuel je crois que aujourd'hui boo pourquoi presque il est partout suivi dans les réseaux sociaux c'est parce que c'est l'un des rares de passer voir xamante quand même lépp lu nga xam surtout au plan juridique mm. quand même il le maîtrise et je crois que ça il l'a montré, elle l'a démontré tout à l'heure à l'antenne. Mm. Donc, euh, Mandal, jusqu'à présent, je ne crois pas que en tout cas interpellé Kofi, je ne crois pas que ça soit vraiment quelque chose au niveau de l'émission, mais attendons voir et nous espérons que aussi na nekk loo xamante suñ ko dégloo ba pare ñu bàyyi mu dem ñibbi këram. c'est ce qu'on souhaite en tout cas euh, euh, comme ni ko waxee c'est quelqu'un de très correct Amadou Ba c'est quelqu'un vraiment de très correct ñun ñi di invité. xam nañ euh, des fois ce qui se passe ba pare disponible encore. effectivement disponible parce que boo xoolee chaque semaine. vraiment il est entre les télévisions là là où les peut-être certains même déclinent les invitations faut que vous voyez même si est dans un avion aussi sont disponible actuellement su ma je viens directement à l'antenne et même euh, codébat codébatteur batterie pour montrer juste euh, moom ni mu mel euh, à chaque fois que ngay wax ne que Amadou Banga invité dañuy sawar sax vous bu ñeneen dañ non ak parce que ni mais quand c'est Amadou Ba duñ ci duñ et même pour pour témoigner que Thiam peut-être am un débat boo xamante ne nañ ko et rester tous les deux sereins. mais bu ñu génnee également ba ñu koy interpeller gis nañ ci am taxawaay bi ci am tamit. en tant qu'avocat je crois qu'il a il a il a fait son rôle. voilà en tant qu'avocat il a essayé de l'assister avant que muy dem bon. donc li nga xam ne moo ko war moom def même su fekkee ne c'est quelqu'un de la paire aussi mais je crois que Lolo aussi mooy gentleman. Mm-hmm. waaw dès l'instant que on a partagé le même plateau ñu génn mu am jafe-jafe en tant qu'avocat son rôle je crois vraiment li nga xamante ne nako def nako en attendant maintenant que Amadou Ba autres avocats puissent réagir ñu dem euh, en tout cas essayer ko mhm. assister au niveau de la section de la recherche de la gendarmerie c'est important juste ah. ces avocats parce que bon je sais pas encore ndax na len jot mais mu ngi don jéem jot euh, euh, maître Ciré Clédor Ly mu ko don jot et puis Bougondiot jot également sa famille mais ça ne répondait pas mm. donc j'espère que sa famille est en train de suivre que instant bi mu ngi section de recherche la gendarmerie, encore une fois, on ne sait pas pourquoi waxuñu ñu lan motax ñu ñu arrêté en tout cas on prie pour lui euh, ñu koy euh, ñaanal rek mu bañ fa yàgg. Mhm. ñu dem ñu interroger ko et puis nous euh, mu retourner auprès de sa famille il prépare même un voyage en plus. il devait voyager demain. bon surtout nee préciser rek parce que généralement bu buñu déggé né dañ ko interpeller mhm. les gens souvent ils pensent souvent à une certaine brutalité etc. mais il faut préciser aussi que vraiment ceux qui sont venus. le chercher ils ont été corrects aussi. vraiment très correct avec mm. Amadou Ils ont, ils ont dit que nous sommes venus te chercher parce que Daniel la etc. Ils lui ont vraiment laissé le temps. d'appeler d'appeler qui de droit. Mm-hmm. bon en tout cas ñu donc il n'y a pas de brutalité il y a rien absolument rien vraiment ce qu'ils l'ont amené ils ont fait vraiment preuve de professionnalisme dans leur métier. mais au fond également qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça veut dire aujourd'hui nous ngi euh, que dañuy Nek di suivre teigne fin peut-être euh, waa waa Pastef yi on a vu aujourd'hui euh, ñun ñu nekk témoin des faits qu'est-ce que cela veut dire aussi derrière. waaw xam nga Pastef moom. wala il faut que ñu xam d'abord lan moo tax. ñu waaw même au-delà xam nga déjà nee naa comme que ñun ñi ñëw jël si Amadou Ba wax na ne ñoom. xamuñu lu tax ñu jël si ko dañ leen a jox ordre rek pour ñëw jël si ko. Mm. donc ñun aussi duñ leen jiitu li ñaan duñ jiitu paaka bi ci mbar mi. donc mm. duñ leen jiitu aussi ñoom ci li nga xamante ne moo am réellement mais man dama njort peut-être que la loo xamante ni bokkul ak li li tenir pour. Mhm. les les les juges qui ont condamné Ousmane xam nga vous jetez le discrédit sur les institutions. parce que et je crois que du lu hein. man je crois même le dire c'est pratiquement enfoncer des portes ouvertes parce que la loi depuis depuis pratiquement deux ou trois ans comment les gens de Pastef aussi vraiment euh, ni nga xamantene nit ñi noonu lay acharné wo ci ñoom. nous espérons tout simplement en tout cas pour Amadou Ba. que li nga xamantene ne moo ko dal léegi ñu ñëw jël si ko fi. ah jàpp naa ne dal euh, inshallah dina ci génn ñun daal ñi ngi ñaan yàlla. mu nekk loo xam ne lu graw lu ko fay téye la mu dem rejoindre sa famille continuer aussi son combat politique aussi delluwaat ci liggéeyam parce que quelqu'un comme Amadou Amadou Ba je crois nit ñi que ça soit du côté de l'opposition que ça soit du côté du pouvoir borom xam-xam la. nit ñi hmm. les gens ont besoin de lui ci biti que plutôt que fenen hmm. xalaatuma sax ne leneen mën ko ci mën ko fekk lu gën a hmm. mais toujours Sénégal moo nekkee aussi da ngay xaw a ñaaw njort ci yenn yi. mais jàpp naa ne daal nekk lu graw loo xamante ne nii. bu ci jógee dañ ko cee war a indil yeneen jafe-jafe. pour man buñ ko dégloo ba pare dinañ ko bàyyi mu dem rejoindre sa famille vraiment dem continuer liggéeyam. En tout cas, on l'espère. Et euh, pour, pour rassurer justement euh, euh, Nini Setan, pour rassurer également ni euh, invité yi ñëw ci plateau yi on espère que c'est pas parce que ay propos ont été tenus mon nous nous ñu ñu ko parce que suñu démé quand même ba yegg fofu euh, ça devient grave bu dekkoon ay propos yo xam ne sax euh, mën nañ japp que ça dérange dinañ à artu peut-être ci bir émission bi dina am ñuko soulever parce que y avait la partie adverse qui est de sur quoi un avocat qui est plus un avocat donc du coup je pense que su fait qu'on que amna ay propos yo xamantene ne mën nañ ko déplorer je pense qu'on a pas laisser passer. Donc on espère que c'est pour autre chose, en tout cas. En tout cas, on... Euh, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Que rien de grave n'a été tenu ici qui puisse lui valoir cette interprétation, euh, cette, cette interpellation. Mhm. léegi que euh, comme que xamaguñu réellement lan mot tax ñu jël si ko fii ah ñu tout en espérant que n'est le grave loi xamante maintenir après mon dina ci gën a am en jafé jafé. peut-être on aura la réaction. Euh, euh, c'est ce qu'on me signale à, l'écran de euh, Bogan appelé pour lui dire que euh, justement parce qu'on était là devant tout le monde et puis nous donc un peu paniqué c'est normal donc peut-être qu'il va intervenir d'une minute à l'autre par rapport à cela en tout cas je pense que comme amaguñu exactement lan mënuñu ci euh, guddal lépp lu ñu mën mooy euh, wax ne que nañ ko déglu peut-être euh, bàyyi ko mu mu mu dellu këram bu fekkee ne que c'est pas c'est pas des faits extrêmement graves et on pense que c'est c'est pas c'est pas extrêmement grave parce que sinon duñ doon xaar ba tey di ko ñëw di fekk ci ay plateau pour jël si ko je pense. waaw man daal jàpp naa ne li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee fii. Mm-hmm. gisuma ci lenn loo xam ne nekkul lu njariñu réew mi. Mm-hmm.